Finale. Ah, donc Mbaïsen, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les téléspectateurs de Dunia TV. Nous avons invité ce plateau ak def di Très bien, Wa da nga am look maintenant c'est des lunettes. Oui, c'est des lunettes c'est devenu en fait xamna ñi lañ ma gëna ñi di gëna euh, d'accord d'accord d'accord très bien ah, donc Mbaye nous allons démarrer avec la France en finale euh, quel est le secret de cette réussite Deschamps ou le collectif le secret de cette réussite ça se comprend Nicolas Matar, on a vu une équipe très compétitive une équipe où Hamilton et bii ay ils ont voulu le match déclic qui a vraiment permis à cette équipe française d'être à ce niveau de la compétition moi j'étais face à l'Argentine en match de poule on a vu une équipe française qui est en train de te chercher mm. de se chercher mais Disney, nañ ni à ñu ba de finale face à l'Argentine ils se sont imposés tu as dit Deschamps c'est vrai qu'il est fort Deschamps il est bon il a su prendre les hommes qu'il faut par contre on lui a tellement euh, dit le cas de Karim Benzema à la dernière minute le cas d'Adrien Adrien Rabiot il a su être choix il a su être bon sur ses choix et actuellement alors fay na c'est le collectif et en même temps le coach c'est une très très bonne question Nicolas. Mm. de voir poser si c'est le collectif ou bien c'est le coach c'est les deux. Très bien, c'est les deux. Sambou euh, vous dites le contraire ou vous partagez le même avis Oui, il y a le collectif. Le collectif a été construit par un coach qui s'appelle Deschamps comme je le disais tantôt, euh, ou tout le temps, euh, c'est les coachs qui vont gagner cette Coupe du Monde et pas les joueurs. Il ne s'agit pas d'avoir grands joueur pour mhm. gagner cette Coupe du Monde. Mhm. Il faut faire un bon coaching. Euh, mhm. quand tu fais un bon coaching, ça, ça paye. Et lui, il a construit ce collectif-là. Depuis 2006, il est à la tête de cette équipe. Aujourd'hui, je pense que ça est en train de payer. Il a son équipe. C'est ça qui est important. Il a son équipe, il a son effectif. Aujourd'hui, il joue avec. Très bien, parlons-en à présent de Real de Madrid. Qui pour remplacer Cristiano Ronaldo, euh, d'après toi, Maïsen Bon, qui pour remplacer Cristiano Ronaldo, au moment donné, on a parlé de Neymar Junior, mais vu que le prince et Nasser Al Khalifi, mhm. ils sont en train de faire le maximum pour garder Watt, qui euh, Neymar, je dirais même que c'est pour une année encore. La deuxième chose, moi, les qui ont tendance, mhm. qu'est-ce qu'ils vont faire parce que juste après la finale, on a entendu une déclaration de, de, de Cristiano Ronaldo parlant sur de et Et la deuxième monnaie, c'est celle de Gareth Bale. Il va partir, il ne va pas partir, mais pour remplacer quoi, on pense à un moment donné à l'international belge, le société de Chelsea, ancien de l'île, je parle de Eden Hazard, il se pourrait que les tractations ont commencé, mais si Hazard quitte Chelsea, si Ngolo Kante quitte Chelsea, si William quitte Chelsea, Qu'est-ce qui va rester à cette équipe de Chelsea de rappeler Nous Ni Antonio Conte, c'est juste une information, qu'il se pourrait que Mohamed Tam qui sera diminué et que qu'on a remplacé Carlo Mauricio Sarri. on on remplacer remplacé l'ancien coach de Napoli. remplacé par Carlo Ancelotti. le moment où nous avons Karim Benzema mo mais Benzema hier sur BFM TV oh, il a dit que ni où s'il n'a pas dit ça ses proches ont dit que ni. li nga xamante mo am que Karim Benzema a déclaré son amour au Real de Madrid donc il ne va pas quitter. Qui pour remplacer euh, Cristiano Ronaldo pour man pour man Eden Hazard mo gëna nek ci pole position. pour remplacer ko Nicolas Makhtar. très bien donc ça Biagui dégg nga euh, li nga xamante ne Mbaye Sène indi ko ci Real de Madrid qui pour remplacer euh, Cristiano Ronaldo. trois options pour le moment mom lañuy ñuy ñaar ñi mënuñ ci sori parce que ils sont en compétition donc waxtane mënul sori moy Harry Kane et Eden Hazard. Mhm. Eden Hazard dembu tok na donc ça veut dire que euh, discussion yi mën na continuer. mais comme ni ko Mbaye Mbaye Sène actuellement Eden Hazard buñu xolé 6 six xolé fekk na supporters ñom ñoy jël. Euh, euh, Neymar mooy tout hmm. parce que Neymar a 48 d'intention euh, deuxième bi Mbappé là Moi, am 29 qui hmm. Eden Hazard moi, am 19 mais buñu xolé tay dossier bi gëna sori. Hmm. te bi gëna Real de Madrid moy Eden Hazard parce que Eden Hazard. Mbaye Sène wax nako sank avec Chelsea il a fait six années à Chelsea donc il est bon que mu jogué fofu mu dem séti fenen mhm. Neymar ça va être très compliqué pour mu jogué fofu parce que euh, Khalifa du ko gaaw libéré. Mhm. au Paris Saint-Germain mi nga xamante dañu bëgg a recruter mais le fait que aussi euh, Chris euh, comment comment s'appelle Cristiano Ronaldo. dem parce que lolu bokk na ci ambition euh, Neymar pour mu dem fekki. Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Mhm. Chris Demna, mhm. donc ça va être très compliqué. Qui dit moins Harry Kane, Harry Kane a prolongé avec Tottenham jusqu'en 2024, ça veut dire que Fofu, ça va être très compliqué pour nous. mais qui gagne des tay pour me remplacer euh, Cristiano Ronaldo, c'est Eden Hazard. C'est Eden Hazard. Euh, mais c'est Eden Hazard Je non dama bëgg ñu taxaw ci touti parce que euh, gis nañu mu def sortie wax ci Mbappé di joxe comme impression Que Mbappé yag na ko diko sétane. Donc yow bu nekké déglu nga interview bobu non ban xalaat déglu naa ko depuis avant même le match de la France euh, ak Belgique. oui maa ngi ko seetaan le dimanche matin. Eden Hazard il est sorti il a parlé de Mbappé et de Ngolo Kanté. Mhm. ñoom ñaar ñëpp la wax dafa wax Mbappé wax aussi ci nga xam te moom mooy Ngolo Kanté. d'accord xam nga joueur yi seen bopp dañoo joxante cër Nicolas te xam nañ ku ci nekk ce que tu vaux. Mhm. xam nga loolu moom mooy respect. et juste rek permettre ma ma ñëwaat tuuti sur le cas de Sambou Biage gi mu doon wax léegi ma koy nuyu au passage. d'accord di wax ni pour Harry Kane c'est pratiquement mort parce que ah c'est un enfant du pays et Tottenham a mis beaucoup d'argent sur lui pour nañ Après, il a eu un salaire Quand quant a attaquant aussi il y a un polonais hmm. de Niko Kovac le nouveau entraîneur ancien de Francfort hmm. il compte sur dire cas hmm. en pole position et ça, c'est pas acquis. Nous c'est à 45% le moins Eren Hazard. Mais avec le Real de Madrid, tout va vite, tout va très vite. Parce que sociaux, si faut vous, avec le président, bien une communion pour Hamilton sur les jours directs. Il y a le monde garder À présent, parlons de la Croatie contre l'Angleterre. Euh, n'ont-ils pas déjà réussi leur mondial Croatie et euh, l'Angleterre euh, ils ont déjà réussi leur mondial. Si on parle de l'Angleterre depuis 1990, ils ne sont pas arrivés à ce stade de la compétition. C'est que la grande équipe anglaise, amenée par un Gary Lineker, un David Pratt, un Paul Gascon, Paul Ince, l'ancien gardien du but emblématique Paul Peter Shilton, pour dire que l'Angleterre rêvait de ça depuis très très longtemps. Beaucoup de jours sont passés par là. David Beckham, pour ne citer que Nicky Butt, euh, Alain ils n'ont pas atteint ce stade de la compétition par rapport à l'une de garde, Harry Kane, il ils ont réussi leur Coupe du Monde. Et Nyarel, la Croatie, depuis 1998, 2018. Mhm. C'était l'équipe qui avait été demi-finaliste face à la France. C'était l'équipe de Stanic, l'équipe de Devor Souker, de Boban, j'en passe. Nous avons de Brazevic, nous nous permettrons à la Croatie les gagner. Il y à un stade des quarts de finale. On se rappelle en première mi-temps, 98 Souker, Montoukolon, les deux buts de l'Union Tiram. Parce que il Digne n'a pas entaché une position pour jeu. Pour mhm. Montoukolon, l'image reste, tu le dis dans le côté de Guémundi. Pour voir supporter, c'était une erreur, mais nous, nous avons une erreur, mhm. de avons Ce qui veut dire 98 18 l'équipe qui a nga xamante ne moom mooy demi-finale en 1990 équipe boobu éliminé woon Cameroun en quart de finale ci la gëj a dem demi finale dem fi nga xam te ne moom mooy demi finale. Mhm. kon nag léegi daje woon ak Allemagne parce que l' Allemagne moo daje woon ak Angleterre en quatre vingt dix en Allemagne éliminé ko l' Argentine daje ak l' Italie en quatre vingt dix éliminé ko Argentine fii moo nekkoon finale bi Allemagne Argentine pour revenir ak un peu ils ont déjà réussi le mondial. luñ ci mhm. teg rek bonus lay doon. d' accord lu ci doon rek bonus lay doon mais euh, gis nañu ko ah, aussi. Ah, parce que jot joué jouer euh, deux fois à 120 minutes donc mon nara jakarlo ñu melni Angleterre du nek match bo xamantene dina yomb du du yomb parce que bo xolé euh c'est le football européen hein. <laughs> on peut même appeler cette coupe du monde là la coupe d'Europe parce que <laughs> ay européens voilà donc c'est des équipes qui se connaissent. c'est-à-dire euh, c'est une équipe américaine wala une équipe fille mm. c'est le même football c'est le football européen qui se rencontre mm. aujourd'hui donc ça veut dire tout simplement la Croatie avait bien préparé cette coupe du monde. mais la ma ci par rapport à la question. Je mm-hmm. du ma yem Croatie avec Angleterre quatre équipes yep ont réussi leur coupe du monde. d'accord ken xaru len non fi Angleterre muy France muy Croatie muy euh, muy muy. Belgique ken xaru roulé non à stade de la compétition. d'accord ci bëri tay bo 90%. Ce c'est pas un sondage hein mais il a ne ñu ci bëri dinañ doon miser sur l'Allemagne sur le Brésil sur l'Argentine. Il mm. la misé miser peut-être en en ku ci la preuve gis nga Belge de dañ leen bi ñu leen éliminé. dañ félicité. Mm. population def leen accueillir contrairement au Brésil nga xamante ne. loolu dinañ ci ñëw léegi incha parce que am na lenn loo préparé donc c'est vraiment c'est vraiment euh, la coupe d'Europe, très bien la coupe d'Europe en sous une autre forme. D'accord. Euh, quelques instants rek ben quelques secondes rek nga wax ñu parce que yow yaa ngi nekk Belgique naka nga dundee coupe du monde bi ak taxawaay bi nga xamante ne moom la Belgique am euh, ba France di ko éliminé ci li nga xamante ne moom mooy quart de Euh, j'ai beaucoup apprécié tout d'abord ma nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi taxaw di saan TMC mais di aussi suñu lijaay Sala Bigué di nuyu sama grand frère yi nga xam fekk naa leen fi yëpp leen ziar di wax ni waaye sama impression si loolu mooy que ni je me suis dit que ni euh, une compétition dafa dafa dafa dafa yàgg quoi donc trajet de hmm. donc je me suis dit que la Belgique à euh, un moment donné est fatiguée. Il n'a pas démérité aussi. Euh, il n'a pas démérité certes hmm. aussi hein, parce que comme les wax léegi ni hmm. ni à ce niveau là. donc je pense que c'est un grand bravo à eux. et les et bonne continuation. très bien merci beaucoup Elgué Mbaye euh, nous passons au transfert de stars du sport le Cristiano Ronaldo moins cher que LeBron James Tu en penses quoi. Ouais, mais non, tu sais, Cristiano, c'était après la finale de la Ligue des Champions. Cristiano, déclaration au Def, Bertrand Ken. Mais c'était plus, on l'attendait plutôt du côté des États-Unis. Cristiano Ronaldo, hmm. mais c'est la surprise du chef, nous devons signer Finger Hamilton, Juventus de terrain. Juve, ils aiment cette politique moi la politique dañuy naan ay jours yu màgget dañuy jël non non parce que c'est sept jours yi ku ci nekk dinañ leen defal li nga xam résultat. Cristiano c'est l'homme aux aux multiples défis il a encore démontré qu'il veut jouer au haut niveau la Juventus de Turin va jouer l'année prochaine la Ligue des Champions la Juventus de Turin est toujours leader de son championnat comme j'ai l'habitude de le dire la Juventus sera une grande squadra bisogna fare molte attention ils sont toujours bons ils sont mm. toujours présents. Mm. c'est juste pour dire encore une fois que c'est l'homme qui veut toujours. Euh, relever des défis c'est Cristiano Ronaldo tout pour le natif de Madère. très bien. oui moins cher que moins cher que LeBron James. Euh, hein? logique ou pas logique logique. logique. pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la NBA et, et du football. Mm. La NBA, c'est. même pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. pas pareil. Hein? hein? Le voilà, voilà. Le 150, 100 euh, millions d'euros, même hmm. le Chris de, de gagner. Hmm. L'autre, il a signé pour 155, 156 millions d'euros. Hmm. léegi <laughs> hein? ah, ah mais Mbaye Sène nga ne. Mais ne li ci gën a garaaw pour wax juste que ni. waaw basket. waaw ah, Mais Sène lu tax nga changé position ak football beaucoup. d'accord. basket ak football beaucoup. voilà <laughs> basket ak football beaucoup. <laughs> non beaucoup. Ça fi xam wax. d'accord euh, basket. Euh, waaw euh, Sambou Biagi. <laughs> voilà voilà uh-huh. bah, parce que xam nga le euh li ci les deux aujourd'hui c'est les deux sportifs en termes de contrat. contrat annuel. Mm-hmm. ñoo les tey. Mm-hmm. LeBron James jitu Le mm-hmm. Cristiano Ronaldo. top ci. mais le problème ils ont 33 ans il a 33 ans, l'autre il a 33 ans. Ils ont signé le même jour. C'était le 10. Mm-hmm. Cristiano Ronaldo, il a 430, 451 euh, buts en 438 matchs. Il a tout donné au Real Madrid. Mm-hmm. LeBron James, il a donné deux bacs au Cavalier. Il a quitté Naomi pour, venir au Cavalier. Mm. Il a relevé les défis. Mm. Il a tout gagné. D'accord. Cristiano Rose également la même chose. Aujourd'hui, tous les deux changent de club pour un autre défi. C'est-à-dire, l'Union un défi vous vous, nous devons Très bien, Maïsen, nous restons toujours avec Cristiano Ronaldo euh, à la Juventus. Dernier défi d'un compétiteur, tu en penses quoi je pense que nous, euh, tu sais ayant Cristiano Ronaldo à un niveau boo xamante nous suñu mënatul rek yaakaar Il ni duñ dem te xam nga ni football italien dafa metti c'est le catanaccio quand on parle de Catanapso, moi, il faut, faut amener peut-être en Espagne comme en Angleterre, vous n'avez pas Le jeu est mm. beaucoup plus fermé et le jeu, ça joue beaucoup plus difficile en Italie. Le mot le terme mm. Je rappelle que directement, euh, à 33 ans, sur les 7, Messi et Cristiano Ronaldo, ils phénomènes, un sont mais sur les 7 avant. Nous avons un ballon d'or, nous avons un troisième ballon d'or, Il a un 5. Michel Platini, Marco Van Basten, 30 ans, il a 31 ans ay Zinedine Zidane xam nga boobu ñooñu football noo koy gën di nekkee mag ci attaquant di ko gën di aay. ñee nag ay phénomène lañ mooy Cristiano ak Messi. jàpp naa ni Cristiano mu jàpp ni dem di signé ji ak quatre ans nag. fa la hmm. xam te ne moom mooy Juventus de Turin je pense que ni il peut vraiment apporter quelque chose. très bien c'est important pour la dernière euh, actualité li ñu waxtaanee jëm ci euh, tremblement de terre à Wimbledon euh, Federer éliminé en quart de finale Mbaye sen bon je pense que ce c'est pas un tremblement de terre parce que sur cette li nga xamantene mom moy Roland Garros bi bu terre battue Federer n'était même pas là hein, mm. Federer n'était même pas là c'était plutôt Rafael Nadal qui est entré en compte et démontré démontrer que c'est le maître sur terre battue mais sur terre battue autant pour moi mais Wimbledon nak xam nga une particularité ni voilà parce que c'est le plus grand tournoi de tennis c'est le tournoi de la haute bourgeoisie c'est le tournoi de la haute aristocratie anglaise L'homme motax les li nga xamantene mom moy où Wimbledon que tournoi bu gagne-gagne important perdre Roland Garros wala perdre Open d'Australie mooy gënal bépp athlète wala bépp tennisman perdre li nga xamante moom mooy Wimbledon. Oui, oui c'est un tremblement de terre parce qu'il a été éliminé par euh, quelqu'un qui n'est même pas dans le top 20 euh, du classement, Kevin Anderson. Donc, tremblement de terre. Là, quoi, maintenant, euh, pour pour le titre pour le titre parce que euh, Djokovic ce côté bële mom qualifié déjà en demi-finale donc moi déjà euh, ci ay déclaration mo ngi don xaar peut-être mën na dajé ak Roger Federer donc si je ko doré euh, ci ci quart de finale ça veut dire tout simplement c'est un tremblement de c'est un tremblement de terre parce que Ken xaru ko mu ñu éliminer ko fofu parce que c'est aujourd'hui Wimbledon ko c'est la plus haute compétition de tennis tous les grands Ben grand tennisman bu koy bu koy bu koy raté te xam nga tennis dafa di loo xamante ne ranking la c'est-à-dire am na compétition yoo xam ne boo koy def da ngay gagné ay points pour mun a placé wu nekk numéro un numéro bi à partir de Wimbledon euh, c' est vrai Mbaye Sène nu mu ko waxee noonu la euh, à Laurent euh, bon am na lu ko daloon foofu mais ñëpp ñu ngi ko doon xaar ci Wimbledon parce que dañ ne woon sax dafa réservé wu pour mun a préparer. Wimbledon parce que foofu la Bougon gagner au moins dem en finale même s'il ko gagnewul mu dem mu dem finale kenen ki moy Djokovic mom def nako déjà mm. voilà le tournoi est devenu ouvert hein parce que Kevin Anderson mm-hmm. il a devient ambitieux d'accord très bien merci beaucoup merci beaucoup à Mbaye depuis euh, France un excellent coup il a un excellent coup droit, Kevin Anderson, il a un excellent coup droit. Et au niveau de ses services, il sert très très très fort. Mm. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve demain. Oui. Euh, benn beneen bi. Nicolas di nuyu bu baax a baax a baax aussi waa Sacré Cœur parce que dañ may naan bay dañ lay seetaan te doo ñu bëggee. yaa ngi dégg. Eh, absolument mais mais Mbaye Sène. très bien jeex na. non non Mbaye Sène. non non non non dafa am benn chiffre ma koy laaj. Mbaye Sène ñu ngi waxtaanee foofu chiffre bi. 6 euh, 7 bàyyi loolu waaye. la France et le chiffre Mbaye Sène. Mbaye Sène à tout à l'heure inchallah. merci beaucoup. ah. di nuyu bu baax baax wa kaolax ak wa ba ma juddo ka won ba ma day sar ay way ay way pay tukki da la neex bo tukki da la ngay dédicace ba paré nak nicolas ba paré nicolas di def nak une part belle wa grand dakar bi nga xam tane fala juddo sa d'accord eh, très bien eh, jërëjëf ñoo ngi sargal waa grande kaar yëpp li nga xamante eh, ne foofu la eh, mbay um, eh, judo muy di def fierté waaye aussi di def sama fierté parce que diggante si kaabu ak grande kaar moom tali la rek ah dañ doon jéggi di dem kër alaaju dudu njaay kumba rose nga xamante ne ñu koy ñaanal fa mu ne gënal ko fu fa mu jugee doon foowee li nga xamante ne moom moo doon